les auditrices et auditeurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien de l'émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Salamot Kadri avec moi, Mariam Ade, pour la présentation. Bonjour Mariam, comment tu vas Je vais bien, tout. Alors, nous avons quoi au menu ce matin Comme d'hab, Mariam, nous allons tenir compagnie à nos auditeurs pendant une heure avec un flash d'informations pour commencer. Et dans la rubrique hebdomadaire d'aujourd'hui, nous parlerons justice comme chaque lundi. Pour l'écho des régions, nous irons à Tawa. Et ce n'est pas tout, ça dans cette émission, il y aura une chronique Lotti de la culture linguistique qui sera présentée en anglais et enfin une page du sport. Dans la partie invitée de ce matin, nous suivrons ensemble un entretien avec Amadou Ibrahim Mustafa, un membre de la préservation de l'environnement à Maradi. Fidèles auditeurs, les belles musiques nigériennes sont aussi au rendez-vous dans cette émission Le Niger sur Kalangu. Restez branchés sur le zone de nos médias partenaires. Nous vous souhaitons bonne écoute suite les flashs d'informations avec Nafisa Sirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour à vous, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'informations. Le Fonds monétaire international va prochainement décaisser 43 milliards de francs CFA en faveur du Niger. Annonce faite par le représentant résident du Fonds monétaire international au Niger, M. Rasman Ouedrago, en fin de mission dans le pays et ce au terme d'une audience que lui a accordée le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mahamad Laminzen, ce vendredi 19 juillet 2024. Cette décision, selon la directrice générale adjointe du FMI, euh, s'inscrit dans le cadre de plusieurs programmes d'aide visant à stabiliser l'économie nigérienne touchée par l'instabilité politique et les sanctions internationales. Dans un communiqué du vendredi 19 juillet, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, grand maître des ordres nationaux, le général de brigade Abdrahman Chani, a signé deux décrets élevant à la dignité de Grand Croix de l'ordre national du Niger à titre exceptionnel le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et du Mali, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État. Ce communiqué souligne que ces deux distinctions sont délivrées en reconnaissance de l'engagement ferme et inébranlable de ces deux personnalités en faveur de la souveraineté et de la solidarité des États de l'AES, de la sauvegarde et du rayonnement de nos cultures et valeurs ainsi que l'épanouissement dans la dignité de nos peuples respectifs. Jahre. Enfin, une délégation d'athlètes nigériens ayant participé à plusieurs compétitions sportives internationales durant le mois de juin a été reçue par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdrahman Chani. Ces équipes ont remporté plusieurs médailles dans différentes disciplines dans des compétitions organisées notamment en Côte d'Ivoire, en Égypte et au Maroc. Notons que c'est une délégation composée des athlètes des judokas, des taekwondo et des pète Ainsi prend fin ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci la fille. Chers auditeurs, comme annoncé à l'entame de l'émission, nous ouvrons ensemble un entretien avec Ahmed Ibrahim Mustafa, un membre de la préservation de l'environnement à Maradi. Mais Mariam, avant de commencer, nous allons écouter ensemble notre première musique du groupe de rap Honest avec le titre Jump Up. Chers auditeurs, on est ce qui veut dire on est ensemble et le duo Roxy et Freddy Gaz, d'où la fusion acquise le nom ci-dessus pour justifier l'union et la détermination à une même fin. Ce fut le 27 août 2023. Groupe Faro Niger, vainqueur de l'escafé africaine, révolution 2026. Jean Pop du groupe Honest tout passons à présent à la première partie de notre entretien où les jeunes étudiants s'engagent activement à la préservation de l'environnement à Maradi pour la plantation d'arbres. Cette activité est nécessaire pour lutter contre les effets du changement climatique. Elle a démarré par une prise de conscience collective sur le fait de la disparition progressive des arbres à Maradi. C'est ainsi que réunis dans le cadre Initiative pour l'arbre, ces jeunes ont trouvé une véritable inspiration. Selon Amadou Ibrahim Mustafa, membre actif de ce cadre à Maradi, la plantation des arbres est un moyen de faire face à la dégradation de notre environnement. Il est au micro de Mohamed Maman. Et l'initiative pour l'arbre, si vous voulez, c'est une initiative euh, éco-citoyenne qui s'intéresse euh, surtout aux questions environnementales. Et si je dis questions environnementales, c'est pour faire allusion directement à la préservation de, l'environnement à travers la restauration des terres qui sont dégradées par euh, le reboisement. D'où vous êtes venu l'idée de créer une telle initiative Et l'idée de créer cette initiative, en tout cas, ça émane d'une réflexion beaucoup plus loin du fait qu'on a constaté une absence, euh, en tout cas totale, si je peux le dire, des espèces euh, végétales, euh, surtout au niveau des, des, villes du pays, quoi. Mm. des espèces qui sont en voie de disparition. Et dans cette dynamique, on s'intéresse surtout à l'éducation environnementale. Et cette éducation vise à ou bien à pour comme cible principale les, enfants. Si l'on considère vraiment que ces enfants sont les premiers bénéficiaires de, de ce travail que nous sommes en train de faire du, jour au lendemain et qu'ils seront censés à, préserver ce, fléau dans le futur. Alors, depuis quand vous avez créé l'initiative L'initiative pour l'arbre a vie son, jour en 2021 à Niamey avec euh, sa toute première activité au niveau de, de la mairie mairie de Niamey. Et depuis deux ans, cette initiative a eu à être décentralisée, en tout cas au niveau de toutes les villes du, pays, les huit villes. Alors, quelles sont les activités que vous menez Les activités que nous menons se, basent surtout sur la, plantation et l'entretien, le regarnissage, l'éducation euh, environnementale. Sinon, l'initiative euh, pour l'arbre est allée aujourd'hui, si je peux le dire, très loin puisque commence à s'intéresser aux, questions de, sécurité alimentaire. Mm. L'initiative pour l'arbre euh, vient en appui aux populations vulnérables, euh, sinon des, risques climatiques ou bien des populations, si je peux le dire, réduites. Donc euh, nous intervenons avec cette logique de sécurité alimentaire pour en tout cas contribuer à leur résilience à ce changement. Alors nous allons prendre cas par cas. Vous avez parlé d'abord de la plantation d'arbres. Mhm. Alors comment se fait cette plantation d'arbres Et la plantation d'arbres se fait, si, si, je dois le dire, genre euh, on cible euh, un site, ça peut être une école, une voie, sinon euh, un espace public où on peut intervenir en tout cas à travers la plantation. Et cette plantation repose sur trois principes. D'abord, il faut qu'on ait une assurance sinon une disponibilité en eau, une assurance de suivi et une sécurité. Vous avez fait combien de séances de plantation d'arbres et je dois le dire que l'initiative euh, a comme démarche euh, dimanche utile. Genre tous les dimanches, tous les dimanches, on, se dit qu'on doit, qu'on doit rendre ce dimanche utile à travers euh, une de nos activités, sinon même plus. C'est pour dire que nous intervenons ou bien nous faisons nos, activités chaque dimanche, chaque dimanche du mois et sinon de, l'année. Quoi. Et vous plantez, vous entretenez, et comment se fait l'entretien L'entretien aussi se, se fait en tout cas de la même manière que, que les plantations, c'est-à-dire, euh, euh, comme je vous l'ai dit, les, les dimanches, on peut cibler un site, sinon une école en fonction de la, nécessité du, site, sinon du besoin, on, intervient soit avec une plantation ou bien un entretien. Quoi. Souvent, la plantation que nous, nous avions eu déjà à faire, donc on est censé, sinon on est appelé à entretenir ça. Et souvent, on peut trouver des plantations que nous allons nous-mêmes entretenir. Des plantations que c'est, en tout cas, c'est, pas nous qui les, qui les, avions faites. Quoi. Euh, approximativement, vous avez planté combien d'arbres à, la date d'aujourd'hui À l'échelle régionale, ici à Moradi on a planté au moins plus de 400 arbres. Et je vous dis, ces arbres ont connu une, réussite, sinon de 80%. Du fait euh, du suivi régulier qu'on arrive à, en tout cas, favoriser ces, plantations. vous allez continuer à planter d'autres Oui, nous allons continuer. Sinon, si, je peux le dire, c'est la phase de départ. Quoi. Nous nous investissons jusqu'au dernier jour, Inch'Allah. Chers auditeurs, c'était là la première partie de notre entretien, soufflant encore en musique avec le groupe de rap Métaphore Crew, une façon de bien faire danser nos auditeurs qui sont câblés actuellement sur les radios partenaires de Kalangu. Margaret making things right, reduce them life. Metaphor like silent song. sujet des trois jeunes artistes, Métaphore Crew fait sa première apparition en 2000 au Centre culturel français de Niamey et séduit le public nigérien par ses tests engagés et son style entre les rap, reggae, raga, dancehall et folk nigérien. Après, plusieurs participations à des festivals internationaux, Métaphore Crew en 2009 son premier album. Plus de fois que qui il obtient la même année le prix du meilleur album hip-hop au Wassa Music Award et le prix du meilleur groupe de l'année au Niger Pop hop Award Hip Hop Award. En 2011, Métaphore Crew décroche le trophée Espoir Talent au Festival de la Jeunesse et en 2014, il est nommé au concours Star African Sound d'Orange. C'était là la Gaza des Métaphores Kourouza. Chers auditeurs, la première partie de notre entretien avec Amadou Ibrahim Mustafa, membre actif de l'initiative pour l'arbre à Maradi, est consacrée aux différentes activités qui mènent la structure parallèlement à la plantation d'arbres. Au cœur de ces activités des enfants, pour comprendre déjà l'importance de la préservation de notre environnement, il est toujours au micro de Mohamed Maman pour la deuxième partie de notre entretien. Vous avez parlé aussi euh, de sécurité alimentaire. En quoi vos actions peuvent être importants pour la sécurité alimentaire. Quand on parle de sécurité alimentaire, c'est pour parler des, moyens de subsistance, en particulier l'alimentation. Donc euh, si nous intervenons avec euh, cette logique de sécurité alimentaire, c'est pour euh, appuyer cette population, en tout cas réduite, qui peut être un orphelinat, une famille de veuves, sinon plus. Donc à travers des jardins de cases qu'on arrive à faire, et ces germes de cases peuvent euh, constituer des, des fruits, des légumes. Je pense que ceux-là peuvent euh, contribuer à la sécurité alimentaire de, ces populations. Vous avez parlé aussi des changements climatiques. En quoi vos, actions peuvent mm. euh, être importantes dans la lutte contre le changement climatique Bon, il faut le rappeler que le changement climatique a, d'abord comme, comme cause la destruction qu'avait constatée la planète, la destruction des arbres. Et ces arbres peuvent euh, en tout cas contribuer à faire euh, une forte euh, partie de la lutte contre le changement climatique à travers la séquestration de carbone que les arbres arrivent à faire et la fourniture en tout cas de, l'oxygène qui est essentiel pour l'homme. Vous avez aussi parlé en tout cas de former des jeunes, d'amener les jeunes à comprendre votre activité. Alors comment cette activité aussi se déroule Et comme je vous l'ai dit, en dehors des, dimanches utiles qu'on a, qu'on a fait, comme euh, il était dit que nous arrivons à éduquer des enfants. Et peut-être que c'est le moment de le rappeler que ces enfants sont surtout les élèves. Et les élèves, euh, si vous le constatez, ils ne sont pas présents les dimanches donc euh, il y a des jours exceptionnels qu'on arrive à, favoriser, c'est-à-dire les, jours ouvrables, où on peut aller dans une école avec la permission des administrations et rentrer, en tout cas partager avec les enfants les, connaissances euh, préliminaires qu'on a. En, termes de préservation de l'environnement. Et je pense que ça, ça va contribuer à, l'éducation de, ces enfants dans la, dans la dynamique de sauvegarder l'environnement et aussi à leur euh, niveau connaître l'importance de, de, de, cette composition environnement. Quoi. Quel impact a eu vos actions de 2021 à aujourd'hui Est-ce que vous sentez que effectivement ici à Maradi, est-ce que vous sentez que ça rapporte Oui, on sent vraiment que ça rapporte. Et je le dis haut et fort. Puisque prenons un exemple de, l'école coranique euh, en tout cas, c'est un exemple. L'école hein. École coranique euh, au niveau de, Zaria, école coranique euh, Ignace. Les plantations qu'on a eu à faire euh, à travers les moringa sténopétala, qu'on appelle euh, moringa arbre, en tout cas, c'est un arbre qui peut être géant. Et je vous dis, ne serait-ce que la, semaine dernière, ils ont arrivé à faire une récolte en tout cas importante. Et je pense que ça, c'est déjà un résultat qu'on doit applaudir quoi, et sinon soutenir et à notre niveau intensifier ces, activités. Alors en perspective, qu'est-ce que l'initiative pour l'arbre prévoit de faire euh, de l'avenir Et l'initiative pour l'arbre, euh, dans sa logique, elle prévoit de, en tout cas, rendre les, villes du Niger euh, beaucoup plus, plus vertes à, travers nos, nos activités. Voilà, réduire euh, la séquestration des carbones et, surtout agir sur euh, cette euh, chaleur qu'on arrive à constater depuis ces, dernières années. C'est un plaisir pour vous de planter un arbre Oui, c'est bien un plaisir puisqu'il y a un adage qui dit qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Donc moi, je, peux dire que, en tout cas, pas moi, même ceux qui sont avec moi, ils n'ont pas vécu inutilement. Alors. Alors, quel est l'appel à lancer aujourd'hui à l'endroit de la jeune génération euh, pour mm. s'intéresser aux questions environnementales. Mm. L'appel que je lance à, cette génération, c'est de comprendre que nous n'avons qu'un unique euh, joyau qui, est cet environnement. C'est vraiment une nécessité en fait, c'est vraiment une nécessité. Donc euh, il faut que nous nous, investissions tous en tout cas dans la dynamique de préserver cet environnement. C'est un joyau pour nous et c'est cet environnement qui, en tout cas qui, nous procure euh, tout, ce pourquoi nous nous, nous battons. Quoi. Merci beaucoup. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 24 minutes. Salamatou et c'est de la rubrique hebdomadaire à justice. La torture est une manifestation du lien de les agressions physiques, morales ou psychologiques sur une personne, tout comme les violences basées sur le genre. Il y a suggéré à l'association SOS Femmes et Enfants Victimes de Violences Familiales FEVA donne des précisions sur la différence entre torture et VBG. Il est au micro des Y a-t-il une différence entre l'expression de la torture et de l'expression de violence basée sur le genre Selon l'expression de la torture, elle n'a pas été définie dans le code pénal. Il n'y a pas de actes qui constituent euh, de la torture selon le code pénal, mais on peut essayer de définir ce euh, quoi la torture, parce que la torture désigne euh, tout acte par lequel une douleur ou une souffrance aiguë, physique ou mentale sont intentionnellement infligées sur une personne afin notamment d'obtenir une euh, tierce personne des renseignements ou des aveux de la punure d'un acte à laquelle une tierce personne a commis ou soupçonné. Et si on parle aussi de la définition de violence basée sur c'est tout acte nuisible perpétré contre la volonté d'une personne qui est basé sur le jar Donc, partant à cette définition, on peut dire que ce sont des cas de violation des droits humains. Que dit la loi dans les deux cas Tous ces éléments, ce sont des violations des droits humains. En partant sur le mot euh, torture, parce qu'elle est punie par la Constitution nigérienne à son article 14 et aussi l'article 5 aussi de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui dit que nul ne sera soumis à la torture à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Partant de cela aussi, même euh, euh, l'article 7 aussi des pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques qui est inscrit dans ce contexte aussi essaie de, essaie de relater l'expression ou le mot torture. Euh, à ce qui concerne violence basée sur le genre, je peux dire que en basant sur les expressions du genre, le fait que la personne et c'est débasé sur le genre pour nuire une personne, on peut dire que c'est une violation des droits humains. Par exemple, la torture, on peut dire que c'est sous forme de violence physique, alors que la violence physique aussi est punie par le code pénal à son article 222. Donc, de fait que une personne est soumise à des tortures, c'est une violation de ses droits humains. Parce que c'est un cas de VBG aussi. Parce que on dit du fait que subir physiquement ou mentalement si on fait référence au niveau de les types de violences sur les genre que le système des Nations Unies a pu énumérer, tels que viol, agressions euh, agression sexuelle, mariage forcé, violence physique, violence psychologique ou émotionnelle ou des d'opportunité. Voilà, chers auditeurs, c'était la rubrique hebdomadaire marquant une pause musicale avec l'artiste Sadou Bouri avec le titre Soyeya. Après cette pause musicale, Salamoto, on passe à l'écho de région qui nous amène à Tawa. Les éleveurs du département de Birninkoni de la région de Tawa sont confrontés à des problèmes de pâturage cette année. Cette situation est due à la hausse des prix des aliments bétail. Les sacs de soins qui se vendaient auparavant entre 4 500 et 6 000 francs CFA se actuellement à 11 000 francs CFA sur le marché. Écoutons le reportage de Asuma Arzeka. A shekarar bana makiyaya a cikin gundumar birnin kwanni jihar Tawa sun sha kwaba da matsaloli na kiwo sakamakon hahawar farashin shimakar dabbobi musamman dusa wadda ta yi tashi hadarin gwabran zabi a bisa ga kasuwa. Wannan lamari ya ɗau hankalin makiyaya sosai kamar yadda za ku ji ta bakin Majo Dan Ilela mamba a cikin kungiyar makiyaya Amfen da ke nan garin birnin kwanni. Kiwo kan mana sai dai abun da Ubangiji Allah ya yi mana saboda duk wanda an makiyaye bana in kowane iri na in dai an ce makiyayi na makiyayi in na gida na in na daji bana ya ga wahala na kiyo wanda kasan abincin mutane ya yi wahala haka abincin dabba ta yi wahala saboda da a matsayin mu nan kasuwa muna sayan buhu jikka hudu cadar shi jikka hudu jikka shidda baki haka na shi tsaya ya yi cadar ta yaƙi ya kai jika takwas to bana buhu sai da ya kai jika goma sha ɗaya da rabi haka mun kai ta ɗauka buhun dusa ba buhun haci ba abin da a fatan mu dai ubangiji Allah shi ya kawo mana alheri saboda ba wanda ya iya fata in ba Allah ya kawo sauki ba kara garin ga na kwanne sai da mun ka koma sayan kara ɗari uku kan kare ɗari uku sai da an ka kai ba mu samu ma sai alo da kara a yi wajen ƙasar tawa da su Allah da iko na dai cikin kwanan ga da Allah ka da abubuwan da yan makiyaya dai duka sun gudu su yi ada can yanzu dai danyi ya samu da haki abba tabban ba to inda duka danyi ya samu alhamdulillah haki na samu ko ne ya kawo hahawar farashin cimaka dabbobi musamman ma dusa Usman Mai Dusa ɗaya daga cikin yan kasuwa masu sai da cimaka dabbobi yayi mini karin bayani san da an ce maka rani kenan rani ya kama har wanda bai ba dusa sai ba dusa saboda rani tunda daji babu cawa babu kara babu na abinci sai dusa daji na nan ga namu ma nan jihohin ga namu in kan lura a halin ga zamani ya karamci ba kamar mada ba sannan kuma ka san yau da gobe bisa shi suna cikin daji suna kiyo suna kiyo kake Allah ka wata shekara duk an cinye abin da a cikin daji dole sai an kuma mu dusa a daidai wannan lokacin da nake hada wannan rahoto na ne mission ta bakin magabata na wannan gunduma ta binnan kwanni domin jin irin shawarwari da suke iya baiwa makiyaya sai dai hakan bata samu ba saboda suna cikin Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditeurs, c'est l'heure du sport et nous sommes avec Hassoumi Gourouza. Bonjour Gourouza. Bonjour Myriam, bonjour Salamatou. Bonjour Gourouza. Bonjour la fin de la 16e édition du championnat scolaire à Arlit Oui, après 5 jours de compétition dans le fair play, les résultats sont les suivants. En football, euh, la première place a été remportée par Agadez et Niamey prend la deuxième place. Handball, Niamey a occupé la première place, Tilaberi deuxième, Agadez a occupé la troisième place. En athlétisme, chez les collégiens, c'est Dosso qui a occupé la première place devant Maradi, deuxième. Zender et Niamey se sont partagés la troisième place. En lutte traditionnelle, premier Dosso, deuxième Niamey, troisième Tawa. Gym enchaînement. Côté filles, la première place a été remportée par Fatima Ali de Zender, deuxième Agadez avec Yana, Yahana, Zakari, Ayuba. Côté garçon, premier Jibrila Rabiou de Maradi, Deuxième Adamou Hamey et Abdul Majid Hamed de Tilaberi qui a pris la troisième place. Des prix ont été remis aux vainqueurs par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et de la promotion des langues nationales, El Haji Idi Abdou. Gourouza, poursuite du tournoi des grandes vacances de l'aéroport. Oui, Salamato, des matchs étaient au programme pour le compte du samedi et dimanche, mais malheureusement, les rencontres du samedi ont été décalées en raison des fortes pluies tombées à Niamey. Le dimanche, des matchs se sont joués. Tilby a battu Seleka sur le score de 3 buts à 1. Verti FCA a également battu Rafia sur le score d'un but à 0. Barreira a battu aussi Cité 1 sur le score d'un but à 0. Gourouza quitte mieux pour la cité des Germakoy pour parler de la première édition du tournoi de football de Maracana de Dosso. Oui, et c'est l'association sportive et culturelle de la région de Dosso qui a initié ce tournoi, mais euh, pour en savoir un peu plus, euh, notre correspondant sur place, Aoussi Abdraman, a tendu son micro à Hassan Moussa Yakouba. Il est le président de cette association sportive. Écoutons-le. C'est une initiative qu'on a réfléchi qui manque ici à Dosso. Nous sommes dit juste d'organiser euh, un tournoi du genre ici à Dosso. Alhamdulillah, aujourd'hui, les gens sont répondus présents et peut-être on va innover. Il faut qu'on fait tout pour que le Maracana puisse être implanté ici à Dosso, pour que des initiatives comme telles de, euh, des tournois de Maracana puissent être organisés en ce sens. En tout cas, nous, on a ouvert la porte. L'objectif principal est de non seulement promouvoir euh, le sport, et la cohésion sociale entre la population civile et entre, euh, la, entre les porteurs de tenue. Parce qu'on a eu l'idée de, faire appel également aux porteurs de tenue. Dans l'équipe, on a une équipe de la police, on a une équipe des fans, des Agali, euh, garde et gendarmerie. Malheureusement, ils n'ont pas d'éléments pour constituer une équipe parce qu'ils sont tous en place. C'est de euh, valoriser le sport, euh, promouvoir l'esprit d'équipe et le fair play. Voilà, c'était la Hassan Moussa Yakuba. Il est le président de euh, l'association sportive et culturelle de la région de Dosso qui a initié ce tournoi de Maracana. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour toutes ces informations sportives. Dis l'étoile du jour. Le portrait de ce lundi 22 juillet nous conduit à la découverte de Kamilou Oulawa. Considéré comme le sport le plus populaire au Niger, la lutte traditionnelle fait partie de notre identité culturelle. Chaque année, le championnat est l'occasion pour les athlètes de rivaliser pour des trophées mis en jeu. Salamot Kadri a suivi un des de la région de Difa, le Littéra Kamilou Lawan. C'était à l'occasion de la Coupe du Président. Suivez plutôt. Muna a filin kokowar gargajiya Salma Ɗarani da ke birnin Doso, a nan ne muka iske Kamilu Lawan, wani matashin ɗan kokowa na yankin Difa. Wani matashi mai ƙwarin jiki mai shekaru 25 da haihuwa yana cike da kuzari ya bayyana mana farko-farkon halartarsa gasannin kokowa. Eh kokowa na fara ta shekara ta 2022 na yi sai da yawa a yame shekara ta ta zagayo na yi sha shida a difa koko difa shekara mai zuwa a gadas na buga goma kuma ina so in Allah ubangiji ya taimake ni zuwa gaban ƙarfi na karasa zuwa in samu takobi duk abin da kake dole ne ka samu wata matsala eh, gaskiya ana samu ba ba a samu ba saboda ita ko kuwa mu mun dauke ta sana'a kuma gaskiya mu alhamdulillah saboda iyalin mu da iyayen mu haka mun samu wani abu su ma suna samu arzika isa kocin wannan matashin dan kokowa yana sa ido kan tashin wannan dan kokowa kamilu dan kokowa ne matashi sabon tashi ne saboda nan da shekara biyu ɗan kokowansa da yawo ne muka gani yana da kokwari muka sa shi cikin karin goma yanzu a cikin karin goma ma mun gani vraiment yana, yana da avantage sosai sai da yawo 66 kilo ne wanda yake ya yi 66 kilo dezan da ya zo muka ga ya kai kusan 80 a 85 sai muka ce to wannan bari mu hudda shi sai da yawo ya shiga cikin karon goma tunda shi kokoyan in ka duba a Nijar kana da 85 kilo sai kai kokowa da mai 70 kilo ga abokansa Kamilu Lawan dan kokowa ne mai cike da fara'a wanda ba ya da girman kai a cewar su sai an bada labarin sa a shekaru masu zuwa Kamilu yaro ne mai basira kuma yana da hazaka me hazaka kamar yana da niyya ya zo kokowa kokowa yake ba maganar wasa abuta sai an zo gida ake abuta amma idan ya ta hili kokowa abin da ya kashi kokowa na kamilu haka ne kokowa insha Allah kuma muna sa rai Allah ubangiji ne bai kadar yanzu da rabo ba amma nan gaba kaɗan za a sha mamaki matashi dan kokowa kamilu lawan yana fatan kasancewa tauraro ga yankin difa Merci Salamat kadiri pour ce portrait. Voilà, chers auditeurs, dernier tour en musique avec Bejo Kurniwane du Tal National. Voilà, chers auditeurs, c'est Mouna qui fait. ga muri masarat nin kan mani hilga ka nin din darsha imin karkasai munafikai yarbai ga aro ai min no da la dai da banda bare mai karkasai aro ai min no da la dai da banda bare mai karkasai alhajojai yarbai ga amana babare mo amana babare mo ai remo ba ma makaci ba remo ba ma makaci ba ala mai da danni mola da mola go ga he kun san dai da ga wani durwa hoji ba hoji ba hoji ba ba hoji ba ba hoji ba ba hoji ba ba hoji ba ba sakamar gun hisiba da ga kwai ai da mamma ai da mata ni bai mushara mamma no ba, me mes man ni go wala min de mana no ai ga kwai bo maradi dai ga naru isa tulu zubere isa mata ni bai amma isa mata ni bay. fada dan ga bar bai dai ga kwai ne aba mana ga saidu ero te ni gorku ko falo si da dodo hotel man ga ibu na hasera tendi bai wala man no hi ga koi ala mai do holla no dai ga koi go ma holla no tendi bai bai ma ma ma fofo fer ga la di ma fofo chana abakan na man chana daran si tero man harunda tero por fara ni go ala mai de dan ni mola de mola go ga he guru sande bale, bale, vale, vale, bale, uji vale, bale, o de bale, vale, bale, bale, vale, vale, bale, uji vale, bale, o de bale. vale, Zaga marguna hisiba, alabora chindi ga zaga marguna. wai borcin diga zaga barguna aysaali aysamate eni baay adamu maarisi wani colaano kiitambo ayidete eni baay batuura mandigo dhaaseerate eni baay daga alla nahiga jeebo daga alla nahiga jeebo ayineemate eni baay wallahi gudufamahaa maniga hamsa bari wata zakariya siina nodo munaafijey Mala Junjay, Miman Daisy, Manatari Komai, Maliki Gawan Higa Koya, Ide Maliki Gawan Higa, Lucky Tandy by Isa Ide Tandy by Transitero Harun the Case, Kunabebe Kurinya Nobo, Madina Kurinya Nobo, Suzu Mandigo, Hadina Finger Tandy by. అలమైన దన్ని మూల మూల పోగే మా సౌండ్ సన్నై నగదు కొడురువా లక్కి కెట్ రుక్ రుక్ రుక్ ఊంజి బాలే బాలే ఊంజి బాలే బాలే ఊంజి బాలే పాద ట్రిబ్యునల్ బనేవులా అయ్యో సాగమరుగు నహిసిబా కొల్మిండ మనగా నైగ బహిమ కొయ్యి karban laizo mata ni bai azizi illa azizi mai mace azizi illa azizi fendi bai amena illo masudu wani carano wani binde managa na higa zumbu wani bidu tendi bai azizi jiri mandigo bani bani bani bani bani bani nurabba ma bani margamar sandezo aiki mai wayi da teni bai rumfa masu ji alifin lafofo alamai da dandin mola da mola zo ga hebo C'était Mounafiké du groupe Athan National. Salamatou, passons à présent la rubrique Lotti du jour. Parlons hygiène et assainissement de la chronique Lotti d'aujourd'hui. Beaucoup de maladies sont causées par le manque d'hygiène, la consommation d'aliments ou d'eau contaminés par des bactéries comme le choléra. C'est une maladie fréquente, surtout pendant la saison des pluies. En cette saison pluvieuse, il est bon d'éliminer la menace de notre environnement. C'est qui Fierre remis, nous en disent plus. Affairage, affairage, affairage, affairage. C'est toi qui fais tes besoins la maison comme ça Où est ta mère même dans tout ça là Attends, tu Salam alaikum. Salam alaikum, Sadia, tu es là Oui, entre copines. Tu vas au champ à midi comme ça Non, je suis de retour. Je viens de voir ton fils faire ses besoins, juste derrière la maison. Comment as-tu pu laisser faire ce genre de choses D'après ce que j'ai vu, ce n'est pas la première fois. Ah, tu sais, les enfants ont peur d'utiliser les latrines c'est pourquoi je les laisse aller dehors faire leurs besoins. <laughs> ah bah Sadia, ce n'est pas drôle. Est-ce que tu es consciente de ce que cela peut causer Ne t'inquiète même pas. C'est la saison de pluie. Tu verras dès qu'il va pleuvoir, l'eau va tout emporter. <laughs> Et ça sera propre à ton second passage. On est en saison pluvieuse, c'est exact. Et c'est la bonne raison pour laquelle tu ne dois pas laisser tes enfants faire leurs besoins si ce n'est pas dans les latrines. Ah bon Mais pour quelle raison Tu sais que le marigot n'est pas loin de chez toi. Les besoins de tes enfants peuvent atteindre le marigot. Et si l'eau est contaminée, tout le village sera atteint du choléra. Ô oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, choléra hein? Oui, le choléra. Et je n'ai pas fini. Restons juste chez toi. Regarde l'état de ta maison. Ça manque d'hygiène. Des tas sales par-ci, avec des mouches tout autour, des eaux usées versées par là, ces mouches vont déposer leur lot de microbes dessus, ensuite venir toucher vos mains et tes ustensiles de cuisine. Vous risquez d'être tous infectés. Imagine ces selles juste derrière ta maison. Les mouches qui l'auront touché viendront toucher tes affaires, ta nourriture, et j'en passe. En tout cas, je ne peux même pas t'estimer le degré de la gravité de la situation. Oh non, je ne vais pas descendre. Mais quelle est la cause du choléra même Déjà, la transmission est interhumaine et environnementale. Le choléra est une infection diarrhétique aiguë provoquée par l'indigestion alimentaire ou d'eau contaminée. Les brillons cholériques sécrètent dans l'intestin la toxine cholérique qui provoque la perte d'eau et l'électrolyte jusqu'à 15 à 20 litres par jour. Et ça dit, si tu vois tes enfants avec les symptômes suivants, une diarrhée aqueuse abondante, mais sans douleur, des vomissements de liquide clair, des nausées, alors je te conseille de les amener sans attendre au dispensaire le plus proche du village, car la maladie peut tuer en l'espace de quelques heures si aucun traitement n'est administré. Subhanallah, je suis foutu. J'ignorais vraiment tout cela. Mais comment est-ce que je vais faire pour éviter cela Déjà, l'hygiène doit être respectée dans ta maison ainsi que le lavage systématique des mains, faire nos besoins dans les latrines isolées des points d'eau potable, l'hygiène alimentaire, c'est-à-dire laver soigneusement tout ce que tu manges frais et bien cuire les aliments. Merci beaucoup ma chérie pour cette sensibilisation. Sinon, qui sait ce qui peut m'arriver à moi ou à ma famille Non, c'est la moindre des choses. Surtout fais vraiment très attention. Il y a déjà plusieurs cas confirmés de cette maladie dans le pays, dans les villes comme dans les villages, donc on doit être vigilant. Non, je vais faire très attention. À partir d'aujourd'hui, on va tous utiliser les latrines et bien laver nos mains et les aliments que nous consommons. Et j'en parlerai aussi autour de moi. Voilà qui est mieux. Bon, je rentre à la maison, mais les enfants doivent sûrement m'attendre. Vraiment, merci Hanatou. D'accord, bonne journée. auditeurs, c'était le loti offert par le desk femme du studio Kalangu. Écoutons ensemble l'explication du mot de la semaine qui est noyade en anglais et en français avec Samira Omoru. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to your show Culture Linguistique. La journée mondiale de la prévention de la noyade est proclamée en avril 2021 par la résolution de l'Assemblée générale et a lieu chaque année le 25 juillet. World Drowning Prevention Day is proclaimed in April 2021 by General Assembly Resolution celebrated every June 25. Le mot du jour est noyade. La noyade est le fait de se noyer, mort accidentelle par immersion dans l'eau. Noyade en anglais veut dire drawing. Drawing is die through submersion. An example, save me, I'm drowning. That means Sauve-moi, je me noie. Last November, 200 villagers risked drowning as the water rose around them. That means, en novembre dernier, 400 villageois ont risqué de se noyer alors que les eaux montaient autour d'eux. Cet événement mondial de sensibilisation est l'occasion de mettre en lumière les conséquences tragiques et profondes de la noyade sur les familles et les communautés et de proposer des solutions pour la prévenir. This global awareness event is an opportunity to highlight the tragic and profound consequences of drawing on families and communities and to propose solutions to prevent it. Pour prévenir la noyade, il faut apprendre à nager avec un maître nageur. Prévenez vos proches dès que vous allez vous baigner. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chères auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Merci Samira pour cet éclaircissement sur le mot noyada. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Zarma, Antamachek ou Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Cela nous écoutons ensemble les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. C'est kasu ba studio kalangu ni in ba aiki bah. ba yadda za a yi wannan shiri ya zo ya wuce ni ban saurare shi kullum ina da rediyo wallahi in ka ga kawai ban saurare shi ba kawai sai dai in aiki ya dan takaita mana haka wallahi yana birge ɗari bisa ɗari wallahi muna muku yabo kwarai wallahi ni ni maro ne ma ban samu ba ma bare in kira in yi godiya <laughs> wallahi sai sa haka nan ne wallahi eh. shirye-shiryen ku to ni da yake bakon shirin ne ban dade ina sauraren shi ba dan ba zan iya gane wasu abubuwa wanda ba su abin nan sai dai kawai inda kuka gane matsalar ka ku gyara amma ni wallahi ina son wannan shirin sosai ma nake son shi sunana Salisu Leki wanda bai sani ba kuma in kace mai dan aljanna ya sani jirata gaskiya wannan shirye-shirye ku ni kan kaina ina jin daɗin shi wallahi ina jin daɗin shi don akwai wani lokaci wanda kuka ɗauku na a kiyaye takan harkar yi daɗin nan. Gaskiya nan ni tun daga nan ma na ce shirye-shiryen ku ya mana daidai wallahi Allah ya tsare kuma Allah shi ƙara unwani. Allah ya sa wanga gidan radio kuma a sa ya yi sama ko ina a ji shi garan Wallahi ina jin daɗin shi. Eh, ta ke nan dai bisa ga wannan shirye-shiryen na gidan radio. Gaskiya ya yi kuma na gode matuƙa kuma duk wanda za ya fahimta shi in dai kai ɗan adam ne mai fahimta hankali ka san abin da suke ni gaskiya yayi yayi yayi na gode assalamu alaikum sunana alhaji ishau adamu mazaunin birnin gwani to gaskiya shirye-shiryen studio kalangu suna da ƙayatarwa kuma suna taɓo fanni-fanni duk fannin da baka tsammani ma suna taɓo shi ka san ko wani abu in ba a taɓo shi ba kai baka san da shi ba baka da labarin wani wani ba shi da labarin ka abin da suke yi eh, sai dai mu ce Allah saka musu da alheri wannan kafa ta watsa labari ta studio kalangu in eh, muna fatan su ci gaba da ayyukansu na alkhairi kuma su zamanto masu haɗin gaskiya su zamanto kuma masu riƙon gaskiya da amana kas su kuskura a yi amfani da su a yi wani abu wanda zai kawo ma 'yan ƙasa rudani ko kuma zai lalata 'yan ƙasa duk abin da suka san ba mai kyau ba ne ya kamata su guje shi ya zamanto duk shirin da za su yi dai mai amfanar da mutane ne Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. cette émission de ce lundi 22 juillet 2024. Vous étiez en compagnie de Maria et Salamot Kadri. L'édition a été assurée par Adam Adamaki et la technique était assurée par Lawali Issa. Si vous voulez réécouter cette émission, allez-y dans notre site web www.istudiokalangu.org ou sur la page Facebook du Studio Kalangu. Bon début de semaine à vous tous. Bisous. Bye bye.